le Ne ñëpp pas ni site internet bobu liggéey bu mucc ayib lay liggéey ci mim réew. par toute question à venir vous voir ici nous sommes là pendant deux jours aujourd'hui et demain jusqu'à 19h pour vous conseiller pour vous guider dans toutes les opérations de la vie quotidienne. une des une des sources de blocage on sait que c'est souvent euh, le coût euh, <laughs> service est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt à lâcher un peu. faut d'abord préciser, c'est que nous ne fixons pas nous-mêmes euh, les émoluments qui nous sont payés à l'occasion des actes que nous recevons. Vous le savez certainement, il y a un tarif que l'État a édicté et c'est ce tarif qui décline acte par acte combien le notaire doit percevoir sur chaque acte. Et je pense que si on n'a même pas la le privilège de fixer le montant euh, qui, qui, doit vous être payé pour une opération, on ne peut pas dire que nous sommes chers parce que l'État connaît la situation du pays et il fixer des, prix exorbitants que les populations ne pourront pas payer. Il est également important de dire que même au-delà de ça, nous-mêmes nous acceptons parfois de faire des efforts quand le social, euh, quand il y a des dossiers sociaux et quand des projets immobiliers de grande envergure nous permettent, avec la multiplication des actes, de nous retrouver. Donc c'est le cas de, du projet du cours urbain de Diamniadio où nous avons accepté de baisser de 75% le montant des évoluments. Nous avons fait la demande. Pareil pour la création de sociétés. Vous savez que le capital des sociétés a été ramené à donc pour ce type de société de 0 à 500 000 francs, nous ne sommes payés que 20 000 francs. Donc vraiment, pour ce qui s'agit des coûts, nous faisons des efforts. Ce qu'il faut préciser également, c'est que nous ne recevons pas seulement nos honoraires et nos émoluments. Nous recevons la part revenant à l'État, c'est-à-dire tous les droits et taxes que les contribuables doivent payer à l'occasion des actes que nous faisons. C'est peut-être pour ça que les gens ne comprennent pas que l'argent que nous recevons des clients ne nous appartient pas, mais nous travaillons comme étant délégataire d'une partie de la puissance publique, nous travaillons. Et pour nous, parce que nous avons des entreprises à, faire fonctionner, nous avons des charges, du personnel, des salaires à payer et en, plus de ça, nous recevons euh, donc les droits et taxes qui sont dus à l'État. Alors, au Sénégal, nous sommes 51 notaires actuellement et il y a 42 charges de notaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, euh, l'exercice de la profession de notaire se fait selon trois modes. Il y a les notaires titulaires de charge qui sont seuls dans leurs exploitations. Il y a par contre des associations, des sociétés civiles professionnelles qui travaillent au sein du même cabinet. Et il y a le statut de notaire salarié. Justement, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre profession de notaire Alors, les difficultés que nous rencontrons, le premier, c'est la méconnaissance de nos procédures et surtout de notre statut euh, par les usagers. C'est pour ça que ces journées portes ouvertes sont là et puis d'autres rencontres que nous ferons périodiquement pour pouvoir toujours familiariser les gens avec la profession. Nous avons également en vue l'organisation du Congrès des notaires d'Afrique qui a été organisé ici au Sénégal la dernière fois en 2006 et que nous avons l'honneur cette année d'organiser. C'est un événement international qui nous permettra d'avoir une plus grande visibilité autant au niveau local qu'à l'échelle internationale. de l'indépendance Tech est stand de conseiller gratuitement les populations sur les plus de pour ces transactions quotidiennes. donc le le premier événement bu def pour nit ñi gën ñu parce que nit su la xamul pas pour nous ci sa cabinet et je pense que c'est benn étape bu ñuy def la ak yeneen yu ciy topp incha ñu population parce que suñu credo mooy les notaires encore plus proches des populations waaw jafe-jafe yi yi am ci profession bi moom mooy yi am ci profession judiciaire yëpp moom mooy ragal bi ma wax rek mooy nit ñi dañu ñu ragal donc loolu moo tax ñu ñëw tey pour waxee ak yéen pour expliquer leen na leen que métier bu simple la bu normal et puis surtout bu sécurisant la parce que suñu liggéey yëpp tous les jours moom mooy fexe nu problème bañ a amee ba nga xam ne tribunaux yi duñu bëri liggéey parce que dossier boo ko amee nga ñëw ci notaire mu xelal la yéen ñaan ñi ko seq d'accord ci ay kàddu mu tënk ko ci wóor loo xam ne du indi benn contestation defe naa ne loolu euh, moom moo gën ëllëg ak si biir nit ñi di yeeg di wàcc di dem tribunal donc ah, defe naa ne tontu ci 51 notaires lañu fii nii ci Sénégal euh, et 42 cabinets de notaires moo am yoo xam ni dañ ko répartir ci territoire national bi yëpp tey jii ñi ci gën bëri Dakar lañ nekk mais boo demee région du Sénégal bu nekk am au moins benn notaire loolu nga xam ne nii defe naa notaire yi rek ñoom am ñi ci région yi. parfois du neex parce que effectivement liggéey ci région yi nga xamné ni nit ñi xamuñ trop institution bi fay metti mais téréwul puisque ñun

état bi moo sant ñu laaj ko ndax kuy jaay jënd par exemple war nga fay ay taxes té taxes yoyu ñun nga koy jox ñun ñu reverser ko légui nak nit ñi dañuy faral di jaawale ñun liñu mom ak li état bi mom motax toujours dañ naan notaire dafa cher mais défé na né nga ñëw ci notaire am sa bien jënd ci lu seer dajale sa àdduna ba am xaalis war a jënd dara dem ci biti éviter euh, les services di notaire fay ko ci biti ëllëg mu am problème nga ñëwoon ci notaire liñ la fayeeku nga fay ko nga am document bu leer boo xam ne nii ilaa yow mu din kenn du ko mën a contester defe naa ne loolu loolu loolu moo gën alors liggéeyu notaire nit notaire ndawal buur la ndawal buur boo xam ne nii dañ ko tànn ngir maanduteem parce que loolu également lu ci am importance la ngir maanduteem pour muy xay khatim diggante yi waaw parce que diggante il faut mu am seede té seede bi nga xamné ni mom moom la yoon nangu fii ci Sénégal pour yenn transaction yi notamment jënd kër mbirum dono ak yoyu notaire la donc notaire dal moy khatim diggante yi ba nga xamné ni du am benn problème alors, le notaire, le notaire, c'est un officier public institué pour recevoir les actes auxquels les parties veulent ou doivent donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique.